Le président du MPN Kishinkasa, Ibrahim Yakuba, désormais ex-ministre des Affaires étrangères, a démissionné du gouvernement mercredi 11 avril passé. C'est du moins l'annonce faite par l'intéressé sur Twitter. Il a ajouté aussi que son parti, le MPN Kishinkasa, quitte l'alliance des partis au pouvoir. Aussi, la ministre de la Communication, Madame Sani Koubra a démissionné du gouvernement. Tous ont été remplacés. Le bureau politique du MPN Kishinkasa a, dans une déclaration rendue publique jeudi dernier, expliqué la raison de son retrait de la mouvance au pouvoir. Un extrait de cette déclaration lu par le député Abdrahman Omaru. Notre projet au Kishinkasa est celui d'une démocratie et d'un état de droit qui garantissent le respect et la sincérité du vote populaire. Pour défendre et préserver les acquis démocratiques de notre pays, l'insensibilité des gouvernants à toute opinion contraire nous impose désormais de porter notre combat hors des rangs de la majorité présidentielle. Autre sujet phare de la semaine sur la réaction du syndicat autonome des magistrats du Niger Saman, section de Maradi, suite au refus d'obtempérer aux décisions de justice de certaines autorités. Najin Mohamed, membre du Saman Maradi, estime qu'il est déplorable de voir ce genre de comportement dans un état de droit. Pour lui, cette attitude est une infraction à la loi et elle est condamnée par le Code pénal. La résistance ou le refus de l'exécution d'une décision de justice est une infraction. C'est prévu par l'article 196.3 du Code pénal qui dit entre autres que toute autorité dépositaire de la force publique est obligé de porter main forte à l'exécution d'une décision de justice définitive ou exécutoire. Sur le plan académique, les cours semblent avoir repris dans toutes les facultés de l'université Abdou de Niamey. Après des mois de perturbations venant des étudiants, mais aussi des enseignants-chercheurs. Et il existe encore des risques de nouvelles grèves à l'université de Niamey, voire même dans les autres régions du pays. Enfin, sur le plan sécuritaire, notons cet enlèvement d'un humanitaire allemand. Il a été enlevé mercredi 11 avril par des hommes armés à 30 km de la ville d'Ayoru, région de Tilaberi, une zone frontalière au Mali en proie à des attaques jihadistes récurrentes et autres braquages.